le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum du studio le forum du studio forum du studio le forum du studio forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes. Monsieur, dames, bonsoir. Merci de nous recevoir pour le forum du studio Kalangou de ce soir à la présentation de fils Adam Sirfo. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4, Amphani FM 100 et Kwaretegi 99 FM. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires de l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, à Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Meinesorwa, Tamaske, Bouza, Dolbel, Sai, Walam, Dogonduchi, Madawa, Dokoro, Tanuta, Jinjimi, Kablewa, etc. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Dans le cadre du forum, nous faisons appel à des spécialistes ou des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Aujourd'hui, nous allons parler de la chaîne de production de la viande, de l'abattage à la consommation. Dans la sous-région, le Niger est connu pour sa forte consommation de viande, puisque dans notre pays, l'élevage représente une partie importante de la production agroalimentaire. Il se pratique de façon extensive, notamment dans le nord-est du pays. D'où provient, le bétail destiné à l'abattage pour la consommation Quelle quantité de viande est produite à chaque jour Comment se fait l'abattage du bétail Dans quelles conditions se fait le transport de la viande du bétail avant l'abattage Peut-on acheter de la viande chez n'importe quel boucher nos invités ici présents vont tenter de répondre à toutes ces interrogations. Il s'agit de M. Harou Oumarou, directeur de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé au ministère de la Santé publique. Bonsoir, M. Harou. Bonsoir. Nous avons également M. Saleh Dodo. Il est le secrétaire général du syndicat national des bouchers du Niger. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée du troisième invité, M. Hamma Abdou qui est euh, en service à l'abattoir frigorifique de Niamey. Chers invités, merci une fois de plus euh, d'être présents. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je demanderai à chacun une présentation succincte de la structure qu'il représente euh, et son rôle. Je commence par euh, M. Harou Oumarou. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-nous un peu la tâche que vous. Ok, merci. Donc, moi je suis Harou Oumarou, comme vous l'avez dit, docteur mhm. de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé, ministre de la Santé publique. Mhm. Donc la direction de l'hygiène publique euh, comporte trois divisions. Donc il y a la division hygiène publique, la division police sanitaire et la division éducation pour la santé. Mm-hmm. Donc euh, nous sommes chargés de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'hygiène et d'assainissement au Niger. Monsieur Saleh Dodo, vous êtes euh, le secrétaire euh, général du syndicat national des bouchers du Niger. Parlez-nous de votre syndicat. Le syndicat national des bouchers du Niger, c'est un syndicat qui lutte pour les intérêts matériels et moraux de ses membres. Et comme euh, je le disais, notre troisième invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Monsieur Hamal Abdou, en service à l'abattoir frigorifique de, de, de Niamey. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie très sincèrement de nous avoir invités à ce débat. Mon nom c'est Haman Abdou, je suis le chef de production donc euh, laboratoire frigorifique de Niamey. Le mhm. Laboratoire frigorifique de Niamey est une euh, direction générale parmi les directions que compose que comporte donc euh, le ministère de l'élevage et de l'agriculture. Mhm. Et c'est ça que nous appelons donc communément Afrine. Elle a été créée donc en 1967 euh, par la loi numéro 67-22 du 18 mars 1967, n'est-ce pas, et étant comme établissement public à caractère administratif. Mhm. Maintenant, il est érigé donc en EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. Mhm. Il euh, compte à son sein 85 agents, toutes catégories confondues n'est-ce pas, doté d'un conseil d'administration général, mm. d'un conseil d'administration. Mm. Et qu'est-ce qui est fait à cette, dans cet abattoir Comme mission principale, nous avons le ravitaillement donc, de la ville de Niamey en viande, en quantité et en qualité suffisante, et au besoin, dans une certaine mesure, l'exportation donc, de viande en direction donc, euh, des pays étrangers. Alors, euh, comme euh, vous l'avez dit, c'est l'abattoir frigorifique de Niamey qui assure euh, l'abattage des animaux de boucherie, leur contrôle sanitaire ainsi que la réfrigération et la conservation des veines. Sa capacité de production est de 12 000 tonnes par an. Dites-nous, l'abattage se fait tous les jours de la semaine Oui, merci. Et je disais tantôt que nous avons commission mission donc, de ravitailler la ville de Niamey, mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas l'abattoir en tant que tel qui s'occupe donc du contrôle sanitaire. Mm. C'est plutôt donc la direction régionale de l'élevage qui s'occupe donc euh, du contrôle sanitaire. À ce titre, c'est cette direction qui assure l'inspection des viandes. Par contre, l'abattoir est un prestateur donc euh, de service. Ça veut dire que nous recevons les animaux débouchés, nous les traitons, c'est-à-dire de l'animal sur pied jusqu'au produit carcasse et jusqu'à la conservation dans, certains cas. Mhm. Donc euh, c'est ce travail qui, nous concerne. Maintenant, tout ce qui est comme inspection relève de la direction régionale de l'élevage, tout ce qui est comme répression par rapport aux abattages clandestins, n'est-ce pas, relève également donc de l'élevage. Mhm. Et donc, pour revenir sur la question de l'abattage des animaux en tant que tel euh, au niveau de l'abattoir, dites-nous, euh, elle se fait chaque jour de la semaine et à quelle heure de la journée euh, l'abattage commence Oui, l'abattage se fait chaque jour, ça veut dire que 7, sur 7, il n'y a pas de repos au niveau donc, de l'abattoir de Niamey. Et les abattages commencent de 21h à 5h30, voire 6h du matin. Et nous avons eh, trois marabouts, mhm. puisqu'il faut éclairer l'opinion publique par rapport au, système d'abattage, comme le pensent certains, mhm. peut-être euh, certains, Nigériens. Il n'y a pas de matador, comme mhm. ils pensent, qui tape sur les animaux. Cette fois-ci, depuis des années, ça a été supprimé. Ce sont des marabouts, n'est-ce pas, qui assurent l'abattage des animaux. Donc les animaux sont contentionnés, sont terrassés, comme vous voulez, et, sont égorgés par les marabouts qui sont, n'est-ce pas, choisis par, qui sont reconnus par l'association islamique. Mhm. Donc, si on comprend, les rites de l'islam sont respectés au cours de l'abattage Absolument. Et les conditions sanitaires sont-elles respectées Évidemment, vous le savez tous, chaque établissement doit s'inscrire dans ce qu'on appelle la démarche qualité. Et à ce titre, nous nous inscrivions dans cette logique. C'est pourquoi chaque jour, nous essayons de maintenir en tout cas nos installations dans un état acceptable. Mhm. Puisque, comme vous le savez, eh, la viande est une d'arrêt. Eh, n'est-ce pas, très sensible. Il faut la produire dans un, environnement sain, n'est-ce pas, en tout cas un environnement décent. Mhm. Et cela suppose qu'il faut avoir des équipements en tout cas acceptables. Et ce bétail qui est, abattu euh, pour la consommation, d'où provient-il les, animaux proviennent de tous les horizons de tous les marchés de regroupement importants que vous connaissez, notamment à Turaku, notamment à Yerou, notamment à eh, Terra, Moko, eh, Kolo. En tout cas, ils sont nombreux les marchés de regroupement donc, qui ravitaillent donc, eh, l'abattoir frigorifique de Niamey. C'est pour vous dire que les bouchers, ils font tous les marchés de regroupement importants. Mm-hmm. pour s'approvisionner donc en, bétail. Et dans quelles conditions ce bétail arrive à l'abattoir Bon, eh, ça, il faut le dire. Eh, il y a un arrêté qui fixe, n'est-ce pas, eh, comment est-ce que les animaux doivent être acheminés, mm-hmm. qui relève de la Chambre du commerce, le ministère donc du commerce. Et ces, animaux doivent être transportés dans des conditions, en tout cas, acceptables. Mm-hmm. Et il faut dire que chaque euh, personne doit être autorisée n'est-ce pas, à exercer cette activité-là. Et au bout de trois ans, et la carte, en tout cas professionnelle, doit être renouvelée pour pouvoir exercer. Mhm. C'est dans ces conditions seulement et que ces gens sont, censés, n'est-ce pas, transporter leur Oui, je continue toujours avec vous. Est-ce qu'il y a des critères qui sont en amont respectés dans le choix des animaux qui sont abattus Est-ce que, donnez-nous la répartition des espèces qui sont abattues et est-ce qu'il y a un critère de choix D'abord, pour parler d'espèces, il y a les bovins, les ovins, les caprins. Et il y a les porcs qui sont abattus occasionnellement. Depuis les événements que vous connaissez très bien, qui sont intervenus au niveau de notre pays, ces abattages connaissent, n'est-ce pas, euh, euh, ils sont devenus un peu rares. Mais jusque-là, quand même, ils continuent à abattre les porcs de façon timide. Mhm. Mais pour revenir par rapport à l'État, d'un bon point, si vous voulez vendre de la viande de qualité, il faudrait absolument acheter des animaux en bon état, c'est-à-dire qu'ils qui ont un bon point assez euh, satisfaisant. Mhm. Donc c'est comme ça que les bouchers font le marché en marché, ils cherchent les animaux de bonne qualité, n'est-ce pas Parce que vous avez le marché devient de plus en plus exigeant. Mhm. C'est pourquoi il faut chercher des animaux de très bonne qualité. Je reviendrai vers vous, Monsieur Harou, du ministère euh, de la Santé publique. Vous venez là d'entendre toutes ces précisions sur l'abattage du bétail à l'abattoir. Dites-nous, est-ce que le ministère contrôle euh, les conditions de l'abattage mmh, Merci. Donc, euh, le ministère de la Santé, oui, à travers la police sanitaire, donc qui est chargée de, de chercher et de constater des infractions en la matière donc essayer de, de voir euh, comment la viande donc euh, comment ça se passe au niveau de la ville de Niamey mm. euh, mais malheureusement la ville étant très grande on a un problème de ressources humaines sinon dans le temps en tout cas tous les bouchers de la ville de Niamey sont soumis à faire des examens donc médicaux mm-hmm. pour tout boucher en tout cas qui doit vendre de la viande que ce soit la viande fraîche ou bien la viande au niveau de euh, sur les braises, doit faire des examens médicaux pour s'assurer qu'il est en bon état et doit se tout dans certificat de sanitaire. Et nous contrôlons dans toute la ville de Niamey. Mais aujourd'hui, de, plus en plus, en tout cas, il beaucoup de bouchers qui, qui, de bouchers qui échappent. Parce que nous avons un problème de ressources humaines. La ville de Niamey, aujourd'hui, c'est, je crois, plus d'un million d'habitants. Mhm. Alors qu'il y a dix ans, en tout cas, tous les bouchers qui sont dans la ville de Niamey, en tout cas, font les examens médicaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'on a un problème de ressources humaines. Donc, si on comprend, euh, il n'existe aucun contrôle sur les lieux de vente Si, il, euh, existe euh, de temps en temps parce que nous avons les agents d'hygiène qui sont au niveau des communes, de s'en charger chacun dans sa commune, donc de vérifier, de contrôler est-ce qu'il est bougé font, euh, enfin, sont soumis au contrôle sanitaire pour être sûr qu'ils sont en bonne santé avant de vendre la viande à la population. Et, au niveau de l'abattoir en tant que tel Non, au niveau de l'abattoir en tant que tel, nous ne faisons pas de contrôle au parce que les vétérinaires sont là. Mm-hmm. Mais en principe, il doit avoir une collaboration parce que dans notre formation, les agents d'hygiène, ils reçoivent la formation donc d'inspection des viennes parce que s'ils sont dans, des régions, enfin dans des zones les plus reculées où il n'y a pas de vétérinaires, ils sont chargés de faire cette fonction. Je ne sais pas si mon collègue est, au courant, parce que mhm. moi, à un moment, les agents en formation à l'irrespect des Anders, quand ils viennent à Niamey, moi, je les ai accompagnés plusieurs fois donc à l'abattoir pour assister à, l'inspection pour voir comment l'abattoir de Niamey et rester à l'abattoir. Mhm. Mais de plus en plus, cette collaboration est timide. Sinon, comme elle l'a dit, nous sommes même membres du conseil d'administration donc de l'abattoir. Mhm. Mais ça fait deux ans, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, après ça, c'est une cuisine interne. Hein. après, sinon, j'ai assisté au... Euh, au conseil d'administration des laboratoires. Bon, mais il y a, deux ans, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que comme je l'ai dit, une cuisine interne. C'est après mhm. que j'ai vu que ça a été, c'est parti dans une autre direction ou dans une autre structure. Sinon, vraiment, nous devons collaborer avec euh, les vétérinaires pour euh, vraiment contrôler la viande sur le marché. Alors Saleh Dodo, vous êtes euh, le syndicat, le secrétaire général du syndicat national des bouchers du Niger. Cette viande produite au niveau de l'abattoir, on sait qu'elle est destinée à la consommation et ce sont les bouchers qui en retour se chargent de la revendre sur le marché de Niamey. Dites-nous, cette viande qui est revendue, vient-elle réellement de l'abattoir Oui, elle vient réellement de l'abattoir, la vraie viande la bonne viande vient de l'abattoir. La viande contrôlée et eh, par les agents eh, de l'élevage. il y a d'autres viandes aussi qui ne viennent pas de l'abattoir, surtout la viande de l'abattage de clandestin. Mhm. Et qu'il y en a il y en a beaucoup. Mhm. Donc vous confirmez que la grande majorité de la viande qui est vendue sur le marché vient de l'abattoir. En tout cas, la grande majorité qui est vendue sur les marchés sur les marchés, c'est la viande de l'abattoir. Comment vous pouvez en être certain Est-ce qu'il euh, y a un contrôle que vous des fois, Des fois, nous-mêmes, les syndicats, on contrôle. On rentre dans les marchés pour contrôler. Mm. Mais on n'a pas les moyens de saisir euh, quelqu'un qui est en train de vendre de la viande euh, de l'abattage clandestin. Mm-hmm. Vous savez, oui, nous allons revenir sur cette question de l'abattage clandestin plus haut. Je reviens vers vous, Monsieur Hamani Abdou de l'abattoir. Euh, vous nous avez un peu parlé de la répartition des espèces qui sont abattues et donc combien de têtes est abattue par jour Oui, merci. Mhm. chaque jour, nous abattons en moyenne 40 tonnes par jour, donc toutes espèces confondues, mhm. c'est-à-dire les camelins, les ovins, les caprins et les bovins chaque jour. C'est un abattoir qui était conçu initialement pour 20 euh, tonnes, qui aujourd'hui, avec euh, la population très galopante, donc, qui accueille aujourd'hui, n'est-ce pas, à peu près 40 tonnes par jour. Par jour. Et donc, comment se fait la vente À partir de quelle heure euh, C'est en détail, vous faites ça, en gros, et à partir de quelle heure la vente commence pour... Comme je le disais tantôt, l'abattoir n'est qu'un prestataire de service. Mmh. À ce titre, n'est-ce pas, nous traitons les animaux, de l'animal supérieur jusqu'à la carcasse. Maintenant, ce n'est pas un marché. Normalement, on ne doit pas vendre de la viande au niveau de l'abattoir. Mm. Il y a des points de vente. Et pour aborder la question de statistique, parce que tout à l'heure, eh, vous avez posé la question à M. Salé Dodo de savoir est-ce que la grande majorité de la viande provient effectivement de l'abattoir. En ce qui concerne l'abattoir, nous produisons à peu près 40 tonnes de viande. Mhm. Et nous n'avons pas de statistiques en ce qui concerne les abattages clandestins. Mais il faut dire que ces abattages prennent de plus en plus de l'ampleur mhm. au niveau de la ville de Niamey. Mhm. Et pour ne pas dire le tiers ou les deux tiers même, en tout cas de la viande, ce qui est effrayant, et ça doit interpeller l'ensemble des communautés pour que pour qu'ensemble nous luttons efficacement contre euh, cette euh, terrible activité-là. Nous déplorons un peu eh, l'absence euh, du régional de l'élevage mhm. qui doit nous fournir à peu près. Euh, la question de l'abattage sera dans la dernière partie de notre forum. Nous allons y revenir. Je donne la parole à M. Saleh Dodo. Euh, comme vous venez de le dire, la viande vendue sur les marchés vient généralement de l'abattoir. Alors comment se fait le transport de la viande jusqu'au marché Bon, maintenant le transport se fait dans les taxis et même vraiment sur les motos. Ça, il faut se dire la vérité, il ne faut pas se le cacher. Ça se fait dans les taxis, des véhicules, dans les véhicules personnels. Donc l'abattoir déjà a commandé, c'est pas à peu près, je sais pas, quatre ou cinq véhicules qui sont là. Et jusqu'à présent, on est en conclave avec l'abattoir. Et il faut qu'on se comprenne en tout cas pour qu'on s'entende comment faire le transport. Mm-hmm. Comment faire ce transport de, mm-hmm. viande une, viande qui est transportée dans un taxi, sur euh, une moto, trouvez-vous cela hygiénique Bon, ce n'est pas hygiénique, mais on fait de sorte que tout celui qui transporte cette viande, de au moins la couvrir, soit avec du papier ou bien un tissu propre. Mm-hmm. Donc c'est ce qu'on fait généralement. Oui, on sait qu'à un moment, il a, été, il a été instauré de couvrir la viande au moment du transport. Mais est-ce qu'on constate qu'elle n'est pas, cette mesure n'est pas respectée on, le voit de nos propres yeux, euh, un constat qui est fait, la viande n'est pas couverte. Bon, vous savez, il y a certains, certains, certains gens, bon, si on dit de faire quelque chose, il y a certains qui le font et d'autres, tandis que d'autres ne le font pas. Donc, euh, on ne peut pas, comme euh, on ne peut pas les forcer à, faire obligatoirement, il faut pas, on ne peut pas les forcer comme il n'y a pas de, n'y a pas une autorité qui les force, on n'a pas les moyens de les forcer. Mhm. Monsieur Hamani, vous venez de l'entendre, la viande euh, est globalement transportée via les taxis, sur les motos. Il y a de cela quelques années, un camion frigorifique desservait les grands points de vente. Est-ce que cela se fait toujours ou pas oui, je vous remercie. je disais tantôt que nous, notre mission, c'est de produire la viande, mhm. de l'animal sur pied, donc jusqu'à l'état carcasse. Donc, en ce qui concerne le transport, je vous ai dit, pour transporter de la viande ou du bétail, normalement, on doit être muni d'une carte professionnelle, mhm. n'est-ce pas, et délivrée par les autorités compétentes, c'est-à-dire la chambre de commerce. Maintenant, ce sont des taxis et les bouchers eux-mêmes souvent qui ont des moyens de transport, qui transportent leur viande. Et il faut reconnaître que dans la collaboration, dans le cadre de la collaboration, l'abattoir, n'est-ce pas, a, mené donc à une offensive au niveau donc des, partenaires au développement mm. et de l'État. Et c'est le lieu de remercier donc le ministère de l'élevage qui, en tout cas, qui a offert gracieusement donc deux camions photographiques. Mm. Et sur fonds propres, nous avons, nous à notre niveau, acheté et deux camions frigorifiques. Tout ça, c'est dans le cadre donc d'améliorer les conditions de transport de la viande, mm-hmm. puisque euh, vous venez de le dire, la viande est transportée dans des taxis, dans des bâchers, et avec tout ce que nous avons comme euh, intempéries, mm-hmm. n'est-ce pas, et cela n'est pas sans, conséquence, sur sur, euh, sur la viande. Monsieur Harou Omarou, qu'est-ce que vous pensez de ces conditions de transport de la viande par les bouchers. En tout cas, ces conditions sont vraiment lamentables. C'est vraiment une euh, très bonne question et je profite de l'occasion avec la présence des syndicats des bouchers. Et je lance un appel pour qu'ils puissent euh, vraiment essayer de sensibiliser en tout cas tous ces, ces bouchers pour qu'ils puissent euh, améliorer le transport de la viande. Certes que mon collègue vient de dire qu'ils ont eu deux camions frigorifiques, mm. mais je pense que ce n'est pas suffisant. Et le plus souvent, euh, les bouchers sont tellement pressés, certainement, même si on met 10 camions frigorifiques, il y a des gens qui ne vont pas, en tout cas, attendre à ce que euh, ces camions puissent faire la distribution. Mm. Donc, je profite de l'occasion vraiment pour les demander le syndicats des bouchers. En tout cas, nous sommes disponibles si euh, on peut organiser en tout cas des séances de sensibilisation avec les bouchers pour vraiment leur montrer euh, l'intérêt vraiment des, des, des, transports des vins dans de bonnes conditions hygiéniques. Oui, et quelles pourraient être les conséquences euh, de la consommation de ces genres de viande c'est la contamination, parce que comme euh, le docteur l'a dit, il y a les intempéries. Vous savez, nous sommes dans un pays sahélien où il y a beaucoup intempéries avec beaucoup de poussière. Donc la viande peut être contaminée. On ne sait pas les, les, récipients sur lesquels sont même déposés la viande. Qu'est-ce que ça peut faire Ça peut le contaminer. Donc, mais si vraiment on a des conditions hygiéniques, ça peut vraiment protéger la population contre toutes sortes de maladies. Et en sillonnant aussi la ville de Niamey, on retrouve à chaque bout de rue des bouchers qui vendent des broches ou autres dérivés de la viande tels que les tripes grillées ou emballées communément appelées tukunya ou aussi les kiliji Comment être sûr euh, que ces viandes ont été contrôlées et bon, c'est, je crois que, comme elle l'a dit, euh, toutes les viandes qui sortent du laboratoire, elles ont un cachet. Voilà. Ah ouais, un cachet, en tout cas qui est sur la veine, qui, prouve que cette veine vient de l'abattoir. Donc mm. ça a été contrôlé. Mm. Mais nous, de notre côté, en service d'hygiène, on veut savoir est-ce que eux, le boucher ne portent pas de maladies. Mm. Voilà pourquoi le soumets a fait des exemples, ne contamine pas les, consommateurs de la viande. Mm. Monsieur Saleh, euh, on constate que ces stands-là de viande, certains stands euh, sont installés limite à côté des caniveaux, des couverts ou des dépotoirs. Cela ne vous choque pas <laughs> en voyant ces viandes exposées Évidemment, nous, nous sommes conscients qu'il y a certains lieux, où, certains lieux qu'on vend la viande, ce n'est pas un lieu propice pour vendre la viande. Mm-hmm. Parce que la viande, c'est un produit vraiment très dangereux. Mhm. Très dangereux si ça se peut. Donc, euh, on est conscient, on est là-dessus, on est en train de sensibiliser nos bouchers. Euh, on est en train de sensibiliser nos, bouchers et qu'il y a certains qui ont commencé à comprendre, tandis que d'autres, qui par exemple, les abattoirs clandestins, ceux qui, euh, ceux qui font l'abattage clandestin, eux, ils ne nous écoutent pas. Mhm. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent dans la ville de Niamey. Quand on leur parle, c'est la guerre c'est la querelle. Mhm. Et qu'en est-il euh, des tripes qui, on le, sait, contiennent des déchets de l'animal et renfermeraient des parasites Comment sont-ils nettoyés non, à, ce, à ce que les tripes qui viennent de l'abattoir, c'est des tripes propres, mhm. bien traitées. Mais par, par contre, les tripes qui, les tripes, les tripes qui, sont, euh, qui, proviennent de l'abattage clandestin, c'est des tripes mal contrôlées. On ne sait pas on ne sait pas comment on, euh, les, on les conçoit, on ne sait pas comment, est-ce que, est que même si l'animal a été bien, abattu, mhm, mhm. est-ce que l'animal est abattu, on ne le sait pas. Oui. C'est ce qui fait le danger de l'abattage clandestin. Mhm. Monsieur Hamani, qu'est-ce que vous pensez de ce détail Par exemple, dans le marché du Katako, il y a les commerçants qui protègent les abattoirs clandestins. Si, si le, par exemple, le service de l'élevage va pour euh, chercher les Nous allons y revenir sur, ce, point, sur à ça. Mhm, euh, la question de contamination est complexe. Mhm. Comme je le disais tantôt, je disais qu'il faut produire d'abord la viande dans un, dans un environnement sain, mhm. un environnement décent. Et autant vous produisez la viande dans un environnement décent, il faut également la vendre dans un environnement euh, propre comme, mon collègue l'a dit, les caniveaux sont source, n'est-ce pas, de développement de, larves, n'est-ce pas, de mouches qui sont souvent parfois vectrices de certaines maladies. Et quand on, parle de viande, il n'y a pas que la viande en tant que telle, provenant des petits ruminants ou des gros ruminants. Il, il faut parler aussi de la volaille. Nous avons dans la ville de Niamey plusieurs catégories d'acteurs, notamment des hôteliers, notamment des bouchers, notamment des gens euh, qui, qui font les méchouilles. Donc, il y a un certain nombre de catégories qui échappent, n'est-ce pas, au dispositif. Et c'est exprès, ils le font. Peut-être que nous allons nous attarder sur euh, cette question-là en, poussant un peu la réflexion sur les abattages clandestins. Alors, Monsieur Saleh vient de le dire que la viande en amont, elle est contrôlée à l'abattoir. Donc, si on comprend, si elle est contrôlée en amont, cela veut dire qu'on ne risque aucune maladie Aucune maladie, parce que eh, toute viande, n'est-ce pas, suspecte est automatiquement saisie. À titre illustratif, chaque mois, chaque mois, nous avons en moyenne 4 à 5 carcasses bovine de tuberculose. Mhm. Et la tuberculose, comme vous le savez, c'est une zoonose transmissible donc à l'homme. Mhm. Autrement dit, ces animaux s'y passent, n'est-ce pas, au niveau de l'abattoir. Vous conviendrez avec moi que toute la population de Nyamé sera donc contaminée. Oh. Et pour parler du contrôle, chaque carcasse sortie de l'abattoir, n'est-ce pas, est cachetée, comme l'a dit, mon, dit mon collègue, ce qu'on appelle l'estampille. Mm. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des petits mal, il y a des petits malins mhm. qui peuvent s'acheter même l'estampille, qui peuvent, euh, n'est-ce pas, utiliser euh, stamps qui peuvent s'acheter donc l'estampille. Mais euh, comme, n'est-ce pas, étant collé à cette activité, mhm. euh, euh, les, techniciens ne sont pas sur place, ils allaient vous dire qu'il y a des contrôles euh, inopinés où on change de, de, stratégie pour pouvoir les appréhender. Justement, on voit dans certains supermarchés qui disposent aussi des boucheries. Est-ce que ce sont des viandes qui proviennent de l'abattoir qui sont vendues dans ces supermarchés Vous savez, je dis encore une fois, toute viande qui provient le l'abattoir porte l'estampille, le cachet. Et si vous partez sur les différents points de vente, si vous ne constatez pas l'estampille, ça veut dire qu'il faut commencer déjà à se douter, mm. n'est-ce pas, de la qualité de la viande. Alors, Monsieur Harou du ministère de la Santé, euh, comment doit-on préparer euh, la viande même à la maison pour éliminer tout germe de bactéries ou quoi que ce soit oui, c'est faire une, cuisson, euh, vraiment une, longue cuisson avec euh, plus euh, degrés de température. Il faut que ça soit très bien cuit parce qu'une viande mal cuite, si elle contient des, des, bactéries, il y aura de contamination. Donc voilà pourquoi on recommande de bien cuire la viande avant de la consommer. Euh, est-ce que le feu de cuisson est suffisant pour détruire euh, oui, Bien sûr, oui, à une haute euh, température, en tout cas, ça détruit tous les germes. Parce que les germes, certainement, dans les autres germes, les autres bactéries, comme l'a dit mon collègue, qui peuvent être mortelles pour nous, déjà si ces genres de bactéries sont détectés, ou bien ces elles sont détectées au niveau laboratoire, il y a la saisie automatique ils ne font pas des cadeaux pour ça parce que c'est très, dangereux, tel que le charbon. Voilà pourquoi il a dit vraiment, quand il constate ça, la saisie c'est automatique. Un autre constat amer, c'est l'abattage à clandestin qui, malgré son interdiction, prend de l'ampleur de la capitale. À cet effet, nous avons interviewé au téléphone Dr Sani Gambo, directeur régional de l'élevage de Niamey, sur cette question. On l'écoute. Nous avons, au niveau de la région de Niamey, précisément dans la ville de Niamey, trois abattoirs qui sont destinés à l'abattage des animaux de boucherie. Et ce sont ces trois euh, abattoirs qui sont les lieux idéal pour qu'un boucher amène son animal pour l'abattre. Et au niveau de ces abattoirs, après l'abattage, on fait l'instruction des viande pour que la viande qui sort de l'abattoir soit sûre que c'est de la viande saine et salive. Alors, en dehors de ces trois abattoirs, tout acte d'abattage d'un animal fait par un boucher, en dehors de ces abattoirs, je précise bien, c'est ça qu'on appelle abattage clandestin. Ici, euh, dans la ville de Niamey, est-ce que euh, vous enregistrez beaucoup de ce genre de cas En tout cas, dans la ville de Niamey, c'est une réalité. Il y a beaucoup de bouchers qui ne veulent pas présenter leurs animaux au niveau de trois avantages pour qu'ils puissent effectuer les rites euh, normalement. Donc, pour diverses raisons que nous on ignore, ils préfèrent faire leur travail dans des concessions insalubres voire même dans les chambres, euh, vraiment dans les situations hygiéniques laissent à désirer. Donc ce sont ces genres de bouchées-là qu'on constate dans la ville d'Ignamé et c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Même si de temps en temps nous arrivons à faire des sorties inopinées pour faire des contrôles sur le terrain et mettre, la main, mettre la main sur ces bouchers qui font l'avantage clandestin. Les sorties que nous faisons, des, ce sont des sorties inopinées qu'on peut faire chaque semaine ou bien chaque mois. En tout cas, ça dépend de ce que nous nous disposons comme information. Et justement, euh, ces genres de, sortie que vous faites, euh, une fois euh, la même mise sur ces bouchers qui abattent clandestinement les moutons, quel est leur sort Nous avons une réglementation au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, notamment la loi cadre relative à l'élevage et dans laquelle tout est précisé, notamment les avantages clandestins. Si un boucher est pris en flagrant délit, il est mis entre les mains de la justice et la justice, en tout cas, le prend en charge jusqu'à ce que les règles ou bien les textes à la matière soit appliquée sur ces bouchers. Mais est-ce que euh, cette loi ou bien ces règlements sont appliqués puisqu'on voit que cette euh, pratique prend de l'ampleur de la ville de Niamey Est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment appliquée Bon, en tout cas, nous, notre euh, travail, c'est que de comprendre le boucher et en flagrant délit, en constatant les faits, on les met entre les mains de la, de, de la police d'abord, ensuite la police doit faire euh, tout ce qui est processus administratif jusqu'à ce qu'il soit déféré devant la juridiction, la juridiction nationale. Maintenant, le reste, c'est au juge d'apprécier quelle est la sanction à donner. Et donc, euh, qu'est-ce qui doit vraiment être fait pour euh, freiner cette pratique, voire même empêcher cette pratique néfaste oui, nous sommes en train de faire beaucoup d'actions par rapport à l'évolution des avantages climaticiens dans la ville de Niamey. Notamment, ce sont des séances de sensibilisation de la population et même des bouchers. la population la sensibilise sur le fait que quand vous consommez euh, de la viande qui n'est pas du tout infectée, vous exposez à des risques d'attraper des maladies graves que beaucoup d'ailleurs connaissent, notamment les parasitis et autres maladies telles que la tuberculose. Les bouchers aussi, il ne faut pas qu'ils voient soit la taxe qu'ils vont payer à l'abattoir, mais ça va de leur intérêt. Et si on prend un boucher, à cause de ça, là, on est en prison, tu vois, et que ça fait, en tout cas, les dégâts sociaux que ça cause sur euh, la morale ou bien sur l'individu. Et à travers aussi ces genres euh, de questions que vous nous posez, nous profitons, en tout cas à chaque moment, d'attirer l'attention des populations pour que, quand elles constatent euh, un cas d'avantage clandestin, en tout cas de les dénoncer auprès des services de l'élevage qui sont proches. Vous venez là d'entendre Dr Sani Gambo, directeur régional de l'élevage de Niamey sur la question de l'abattage clandestin. Alors Saleh Abdou, Saleh Dodo, vous venez là d'entendre toutes ces précisions. Vous êtes conscient que l'abattage clandestin prend de l'ampleur à Niamey. Selon vous, qu'est-ce qui pousse certains bouchers à cette pratique néfaste L'abattage clandestin prend de l'ampleur à Niamey. Au début, et les bouchers, les soi-disant bouchers, parce que je ne les appelle pas des bouchers, les vrais bouchers, ils vont en abattoir. Moi, je ne les appelle pas des bouchers, ça, c'est des voleurs. Parce que, au début, ils disent que il y a un problème de numéro. Et heureusement, avec l'arrivée de de, chef de production que voilà, mm. à Mani, il a fait appel à tout le monde tous ceux qui en aiment, ceux qui veulent faire, ceux qui veulent faire la boucherie, de venir. Il y a des numéros disponibles pour l'abattage. Seulement, c'est la volonté de mal faire. Les abattoirs clandestins, c'est tout simplement la volonté de mal faire. Donc, c'est des voleurs. Et ils travaillent avec des voleurs. Voilà. Monsieur Harou, Monsieur Harou venez là d'entendre cette question de l'abattage clandestin. Euh, qu'est-ce qui doit vraiment être fait pour y remédier Bon, vous savez, euh, nous avons un code d'hygiène publique. Donc, euh, il y a son chapitre 3 où on parle de l'hygiène alimentaire, parce que c'est l'hygiène des alimentaires, la veine. Une fois qu'elle est sur le marché, ça devient une denrée alimentaire. En tout cas, il est interdit de produire, de commercialiser des denrées alimentaires avariées ou contenant des substances toxiques pouvant nuire à la santé de l'homme, ou bien qui est périmée ou falsifiée ou non vérifiée par les autres compétents Donc là, c'est surtout le dernier point, c'est une viande donc qui n'est pas vérifiée par les autres compétents qui sont l'élevage. Mmh. Donc si nous constatons ça, c'est la saisie et le code d'hygiène euh, prévoit des sanctions qui vont aller même jusqu'à l'emprisonnement. Mm. Monsieur Hamani, qu'est-ce que vous euh, avez à dire sur cette question Ma réaction, euh, c'est de dire oui, effectivement, les abattages clandestins prennent, prennent de plus en plus de l'ampleur. Il l'a bien dit. J'aurais voulu qu'il vous donne des statistiques en cas de contrôle, c'est-à-dire au niveau des visites. Il arrive souvent d'appréhender à peu près 100, voire 200 petits ruminants par contrôle. Donc, c'est vous dire que c'est extrêmement important. Mm-hmm. Maintenant, par rapport à comment est-ce qu'il faut peut-être euh, arrêter le phénomène, il faut arrêter, je dirais que l'ensemble des acteurs doivent, n'est-ce pas, euh, euh, se réunir. Nous avons déjà, nous, ce qui nous concerne, abattoir frigorifique, nous avons financé un forum qui avait regroupé, n'est-ce pas, le gouverneur de la région, le ministre même de l'élevage, les différents chefs de quartier, les commissaires de police, les bouchers, n'est-ce pas, pour pouvoir sensibiliser les gens, pour leur expliquer les dangers auxquels les communautés sont exposées donc en, en, observant donc les viandes qui ne viennent pas de, proviennent de l'abattoir. Mm. Et à l'issue de ce forum, les acteurs se sont engagés, résolument, n'est-ce pas, à endiguer le phénomène. Malheureusement, qu'est-ce que vous constatez de nos jours Les gens, quand ils quittent les salles de réunion, généralement, ils oublient tout ce que les gens ont arrêté. Mhm. Sinon, eh, Salé Dodo a dit, et nous venons de suivre le, régional de l'élevage, il dit que les, animaux sont abattus dans des concessions. Mhm. Vous trouvez normal que vous donnez votre maison à location, n'est-ce pas Et vous, trouverez un, trouvez un jour des animaux qui sont abattus dans la concession mhm les chefs de quartier, les, propriétaires de maisons doivent arrêter. Est-ce que euh, cet abattage clandestin impacte sur le chiffre d'affaires de l'abattoir Mais bien sûr, bien sûr que oui. Et les, gens pensent qu'ils n'ont pas de raison. Hmm. Ils ont des raisons. le boucher qui va dans les marchés de regroupement, il va payer son animal eh, cher. Il va payer les taxes il va payer tout ce qui a comme, en tout cas, charge eh, sur l'animal. Mhm. Et c'est ce qui fait que le, prix au kilogramme, n'est-ce pas, du, boucher qui est à l'abattoir n'est pas le même avec quelqu'un qui est parti une soirée ramasser tout un troupeau, mhm. n'est-ce pas, dans la brousse ou bien dans les maisons des gens. Ce n'est pas la même chose. Donc, la raison est toute simple. Mhm. C'est des gens qui aiment la facilité, tout simplement. Au départ, nous avons à peu près euh, six... euh, euh ma mémoire est bonne, nous avons, euh, dans tous les cas, la difficulté au départ, ils, le disent que c'est l'histoire de quota. Mm-hmm. L'histoire de quota ne tient plus, puisque aujourd'hui nous avons à peu près 432 numéros qui sont là, que nous pouvons mettre à la disposition de ces bouchers. Mm. Et depuis deux ans, trois ans en tout cas, il y a des numéros qui ne sont pas fonctionnels. Et c'est le lieu de lancer un appel à ces bouchers mm-hmm. qui pensent que c'est un obstacle. Les numéros sont disponibles, ils peuvent venir vers nous. Nous allons donc donner ces numéros à leur disposition. Dodo, vous venez de l'entendre, les numéros sont disponibles au niveau de l'abattoir. Et donc, vous, qu'est-ce que vous faites concrètement euh, pour euh, stopper cette pratique euh, de l'abattage clandestin L'abattage clandestin, nous, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de sensibiliser les bouchers qui sont en train de le faire. Que c'est vraiment, c'est pas une bonne chose. En tout cas, ça salit et la, fonction de boucher. Ça salit le nom de boucher. Ok, alors, oui, rapidement, on est presque à la fin. Si vous permettez, il y a un hum. phénomène qui, nous préoccupe plus que, qui nous préoccupe aussi, c'est les abattages de masse mm. que nous constatons, n'est-ce pas, les jours de Tabaski. Mm-hmm. Et c'est des milliers de têtes de bétail qui sont abattues. Et il faut voir les conditions dans lesquelles. Sans aucun pas, contrôle sanitaire. En tout cas, laisse à désirer. <laughs> Alors, euh, monsieur Harou, je finis par. vous. nous sommes en train euh, de préparer des et de documents de sensibilisation parce que la police sanitaire, euh, on est en train de la, en tout cas, il y a un groupe qui vient de prêter serment. Mm. Et quand nous allons passer à la sensibilisation, je crois qu'on va passer vraiment, vraiment à sévir, mm. c'est-à-dire vraiment à, à sanctionner. Mais d'ores et déjà, je veux profiter aussi vraiment, comme les syndicats débouchés. Là, j'ai vu euh, une étude qui a été faite là sur la construction de la viande. J'ai vu on a fait des recommandations aux syndicats débouchés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Peut-être ça peut aider à faire face à cette euh, à cet abattage clandestin parce que l'étude a recommandé la fusion de deux syndicats mhm. de grossistes et aussi la fusion de deux syndicats de détaillants. Mhm. Donc, tellement qu'il y a des syndicats qui, je crois, qu'ils n'arrivent pas à contrôler, en tout cas, la commande de la viande surtout, c'est ça qui favorise peut-être même ce tabatage clandestin. Et rapidement, pour finir, quels conseils produisez euh, prodigez-vous aux populations par rapport à la viande qu'elles achètent Voilà, pour ce qu'on recommande à la population, c'est d'être sûr que les bouchers qui préparent la viande ou bien qui font cuire la viande, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils ont leurs documents euh, certificat sanitaire. Parce qu'ils doivent le faire périodiquement pour euh, être sûrs qu'ils sont en bonne santé pour ne pas contaminer la population. Salé Dodo, quel conseil au boucher euh, Le conseil que je donne au boucher, les bouchers qui font l'abattage clandestin, de cesser. Parce que ça ternit l'image même du boucher. Mm. Ça ternit complètement l'image du boucher. Ils n'ont qu'à venir à l'abattoir, faire leur travail normal, mm-hmm. comme tout le monde. Si avant, le problème de quota les empêchait de venir, aujourd'hui, il n'y a, pas ce problème de quota. Mhm. Si le manque de numéros les empêchait de venir, aujourd'hui, il n'y a pas de manque de numéros. Il y en a. Mhm. Avec Haman, ils viennent. Euh, Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que les gens n'ont qu'à venir. Et je lance un appel mhm. aux propriétaires des maisons. Vraiment, de refuser à ce qu'on fasse l'abattage clandestin dans leur maison. Monsieur Hamani, votre dernier mot Oui, mon dernier mot, c'est de dire, en tout cas, nous, nous remercions nos collaborateurs avec lesquels nous travaillons parce que jusque-là, ils continuent à produire la viande, en tout cas en qualité et en quantité suffisante pour la ville de Niamey, pour couvrir les besoins des, Niameyens. Mais ce qu'il faut eh, dire eh, tout à l'heure dans l'interview du, journal, eh, permettez-moi de finir. Mhm. Je vais finir. il a parlé effectivement de, quand ils apprennent les gens, mhm. le travail, leur travail est fini. Mhm. Donc il faudrait que ces indélicats-là soient sérieusement sanctionnés. Alors, euh, nous sommes au terme de ce forum. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h15 pour une autre thématique. Au revoir.